Je voudrais déjà, au nom de Michel le remercier euh, l'ONG Church Common Ground qui nous accompagne euh, pour un projet à mettre en œuvre dans la région de Djurbel et dans la région de Kaulak qui va nous permettre, euh, dans ce que nous avons déjà effectué durant la pandémie, sur la communication communautaire, l'engagement communautaire, d'expérimenter une première phase pilote de ce projet que nous déroulerons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la région de Djurbel et de Kaulak afin de renforcer les capacités déjà de nos services, mais aussi euh, euh, envisager ensemble une meilleure implication de nos communautés qui sont des acteurs clés par rapport à la réponse que nous devons avoir sur la pandémie de Covid-19. Donc c'est tout l'intérêt que, que je voudrais signaler par rapport à cette convention que nous signons aujourd'hui entre le Service national de l'éducation et l'information pour la santé et l'ONG Common Ground. Il faut dire que c'est des régions déjà, euh, en termes d'expérience et d'engagement communautaire, qui ont montré d'excellents résultats. Je dois dire que la région de Djurbel fut la première à avoir eu le premier cas et nous avons vu, dès les premières heures, sur instruction du chef de l'État, comment le dispositif a été mis en branle avec, euh, sous la supervision de M. le ministre de la Santé et qui, sont des régions qui ont apporté d'excellentes réponses en termes d'engagement communautaire et qui ont permis aujourd'hui euh, d'arriver à réduire la propagation du donc ces régions vont nous permettre, dans cette phase pilote-là, une fois qu'on fera l'évaluation maintenant, envisager ensemble comment faire euh, le passage à l'échelle dans les autres régions. Mangi déjà gërëm ci monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale ONG cherche euh, Kawan Grand mi nga xamante ne dinañu gunge ci région wu et euh, région Kaolack Nous déroulons fait un projet boo xamante ne daan nañu tax ba euh, euh, sensibiliser la population former l'engagement ci engagement communautaire ndaxte que nous, ñuy dund euh, bu weesoo lépp liñ ci war a ci docteur dañu fa soxla population bi jël en charge mais nous boobaa day soxla population bi former sur quoi la engagement communautaire nous tax nous ñu war en charge seen propre propre avenir ma wax itam li tax ñu tànn euh, région de de Diourbel ak de Kaolack bu nu fàttale ko Diourbel dafa bokk ci région wala dafa nekk région bi nga xamante ne moo njëkk am ka bi mu amee cas ñu gis euh, euh, nan naka la engagement communautaire bi euh, tax ba tay jii nii mu bok ci région yi nga xamante ne mën nañu ne def nañu jéego yu bari muy Djourbel ak Kaolack donc liñ fay def dana tax ba ëlëk ci biir bu ñu ko naté saytu ko xol fañ ci tollu ñu mën ko ñu mëna xol ak suñu partenaire yi nan lañ ko mëna lawalé ci yeneen région yi mais lepp li nga xamante lañ ci wara def moy wax nit yi li tax ñom ñu wara jog taxaw ñu nekk benn ngir mëna a xeex mbas mi mu génn ci réew mi